salari jiin bismillaay ma dee ci door maam njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ko réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb La, réaction pour moi elle est plus sur le plan euh, sportif et au plan de la, de la lutte en général, où on est très satisfait de l'organisation, des différents combats qui ont été mis, qui permettent de mettre en avant toutes les régions du Sénégal et euh, qui permettent de mettre en avant les lutteurs qui durant toute l'année euh, s'entraînent et peuvent aujourd'hui manifester leur, leur performance durant cet événement aujourd'hui à Saint-Louis. Bah, écoute, moi, pour moi, c'est la première, euh, la première année que je suis là. Euh, je suis tout nouveau ici au, Sénégal, puisque je viens de rentrer. C'est la 23e édition. Je pense qu'on a essayé d'apporter un maximum d'amélioration, un maximum d'évolution pour que les gens soient contents et que les gens reprennent goût à la lutte et qu'on puisse avoir demain de nouveau des, sponsors qui mettent en avant euh, la lutte sénégalaise, qui est quand même notre sport national, même bien avant le foot. Merci beaucoup. Je vous en prie. maram jéen bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ku réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ab sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu dalee jiin booba tuuti laa booba ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari